Madame Ramatou depuis combien d'années vous militez dans un parti politique Les années 90, exactement, je crois, dans les années en 96. Environ 30 ans. Ah oui. <laughs> D'accord. Vous avez été une fois élu. Dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour avoir les fonds de la campagne. Comment est-ce que vous avez... J'ai été élu conseiller municipal dans ma localité à l'époque, je travaillais dans une société, dans une très grande société d'assurance. Mon mari aussi était un fonctionnaire d'un certain rang. Vraiment, je n'ai pas senti de difficultés sur le plan financier et autres. Maintenant, et pour le choix, j'étais même ici à Niamey, c'est les gens de mon village les hommes comme les femmes qui dit ah avec la nouvelle euh, méthode là les choses qui vont commencer il faut que Bouli soit élu parce que là-bas à la maison on m'appelle Bouli donc quand il y a eu la première réunion du parti je suis venu je me suis présentée pour le choix des trucs et maintenant les gens ont dit ah nous en tout cas c'est toi qu'on a choisi pour être notre candidate au local est-ce que je pouvais refuser non, je ne pouvais pas refuser, j'ai accepté et c'est comme ça que j'ai fait mon premier mandat. J'avais mes fonds propres et il y avait diverses contributions. Ceux-là même qui ont dit il faut que ce soit moi, mais ils ont apporté leur contribution matérielle comme financières. D'accord. Chaque parti politique contribue dans le financement des campagnes de ses militants. Est-ce que c'est votre cas Oui. C'est-à-dire que ah, quand on dit que le parti contribue, en réalité, il faut faire attention. Ce n'est pas qu'ils prennent de l'argent pour donner au candidat. toi, je te donne 500 000, toi, je te donne 1 million. C'est pas comme ça. Il y a un bureau de campagne. Il y a un directeur de campagne. Et c'est à ce bureau de campagne-là qu'on remet l'argent. Et là, c'est pas individuellement qu'on donne aux candidats. C'est pour organiser les meetings, c'est pour euh, acheter certaines choses, c'est pour le transport des militants, c'est pour voilà. Donc euh, moi je pense que la candidate doit chercher ses fonds propres. Le montant que vous avez reçu était-il suffisamment pour euh, couvrir votre campagne <laughs> Vous savez, ça ne suffit pas. Mhm. On se débrouille et souvent, on fait avec ce qu'on a. Et heureusement, ça a marché. Mais l'argent ne peut pas suffire, c'est pas possible. Si, par exemple, moi, j'ai mon fonds propre, mhm. il y a le, mon mari qui me soutient, ma famille. C'est comme une espèce de contribution. Vous voyez, mhm. les voisins, le mari, les enfants, les amis, tout le monde accourt pour dire, ah, nous voilà ce qu'on a ou bien là-bas au village. Il y a des gens qui viennent pour dire que nous, on n'a pas d'argent. Mais tel village, nous avons des connaissances, nous avons des parents, mm. nous allons les démarcher pour qu'ils votent pour vous. Voilà comment la campagne se fait, passe. En fait, nous, ce qui nous intéresse même, c'est le côté financement. <laughs> c'est ça. Nous aimerions savoir comment est-ce que tout cela se passe. Comment est-ce que vous arrivez à débattre campagne Est-ce que les fonds, vous avez les fonds nécessaires pour ça le minimum qu'on a, on fait avec. Et puis vous savez, aujourd'hui, la femme, la femme nigérienne, le, le, en général, on dit que le Niger est pauvre. Mais cette pauvreté-là, sans être pessimiste, elle revêt un visage féminin. Donc demander à une femme si elle peut avoir suffisamment d'argent pour faire la campagne, moi je pense que ça relève un peu de l'utopie. On fait avec ce que nous avons.